taxaw Sénégal bi nga ne mm. ndax a euh, détourné définitivement définitivement sa page avec le parti socialiste. mais la page du parti socialiste elle est derrière nous <laughs> elle est derrière nous. comment mais nous ne sommes plus dans ce parti là. Mm-hmm. ils ont dit qu'ils nous ont exclus. Mm-hmm. et aujourd'hui nous ñu le parti social mooy ñun gëmuñu ni le parti devra continuer à être un parti langable, un parti yobalame derrière Macky Sall. Nous, ils croient qu'ils doivent être toujours du côté de Macky. Mais différent de Macky. Je ne vois pas comment nous pouvons dire tant que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Donc, il faut que nous disions. Mais d'après vous, au début, vous avez dit que vous non en fait dama ne ñoom dañ ne dàq nañ j'ai pas dit man dàq na ko ne ñoom ñoo ne nañ mais bu fii may waxee amul kayit boo neen nañ mais xam nga il faut savoir avancer Aujourd'hui, le Parti socialiste, j'aime bien ce parti, mais c'est un parti qui n'attire plus. C'est un parti qui ne donne plus espoir. Et c'est avec le cœur meurtri que je le dis. Aujourd'hui, les Sénégalais, Moi, je suis pour aujourd'hui, quand on parle de la réunification de la grande famille socialiste, ce n'est plus dans le cadre de ce, parti socialiste. Parce que la famille socialiste, elle dépasse largement le parti socialiste. Comment faire pour tous ceux qui se réclament de l'idéologie socialiste, tous ceux qui se réclament de Senghor, de Lamine, de tout ce beau monde-là, comment on puisse se retrouver autour de grands ensembles. Parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles. Mais souvent, quand on parle de retrouvailles socialistes, les gens veulent limiter simplement ça au le Parti social. Le Parti socialiste n'est qu'un élément dans ce grand ensemble. Mais c'est le socle quand même du parti. Oui, mais, mais, aujourd'hui, vous revisitez l'histoire du parti, et je parle sous le contrôle des anciens, c'est un parti qui a toujours su évoluer mais malheureusement depuis qu'elle est devenue parti socialiste moule. parce que avec il y a SFIO BDS BPS UPS ba a ci parti socialiste et chaque étape c'est parce que mon na ay séparation à na ay jafe-jafe les gens se retrouvent autour d'un autre ensemble bi nga dañ ci mais aujourd'hui si les gens veulent se cantonner sur le sigle PS aujourd'hui ça n'attire plus mais mais mais sigle PS boobu noonu peut-être comme li ñuy wax la revoir famille libérale famille socialiste boobu noonu PDS euh, le parti le parti le parti maire mun na ko incarner maintenant après bu ngeen duggee peut-être sigle bi changé mais sénégalais yi tamit dañu nostalgique si le parti socialiste am na ñi nga xam ne ancrage bi am ci le Sénégal <laughs> ñenn ñi tamit peut-être bëgguñu tur boobu disparaître. non ça c'est le c'est les nostalgiques mais il faut il faut il faut il faut il faut il faut il faut ceux qui me connaissent xam nga quand je parle du parti socialiste c'est avec <laughs> un cœur meurtrier que je parle de ce parti mm-hmm. social. mais aussi il faut savoir faire une lecture forte de la situation. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous, sommes dans Tahaou Sénégal qui est une plateforme dont la composition c'est des socialistes. Mais ce parti socialiste incarné par Souma Badian Amin Mbengue, ñom Aminata ñom Macky Sall lañu andal té ñun andu ñom Macky ñu ni Macky moy ki sa défar réew mi. Donc différents bobu mi ngi fi Mais je lance un appel à toute la famille socialiste et je parle de famille socialiste de à réfléchir sur de possibles retrouvailles autour de grands ensembles de grands ensembles les socialistes qui sont là qu'ils soient du parti socialiste qu'ils soient de l'URD de l'AFP de ñom euh, Abdoulaye tout ce bon monde là qui se réclame de l'idéologie de gauche et ça dépasse même le parti socialiste l'idéologie de gauche dem les marxistes les léninistes tout ça là comment aller vers un grand ensemble parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles les partis classiques là c'est révolu et élection bon dem daf l'époque des partis classiques est révolus, hmm. Khalifa Sall est en même temps avec la maison mère. pourquoi faire. pour le retrouvailles de la famille libérale. de la famille socialiste ce qui nous importe aujourd'hui c'est de consolider les acquis que nous avons au sein de au Sénégal. de préparer les législatives et la présidentielle. c'est ça Nous aujourd'hui pour te dire mais pour te dire c'est de ça dont il s'agit dans nos rencontres. C'est de ça dont il s'agit comme objectif. Mais comment on peut parler de retrouvailles du de la famille socialiste sans pour autant que moi pour parler... de je pas Tu m'as ah. posé la question. Ah, je te dis ce que je pense de ça. Ah, ok. Mais aujourd'hui, au sein de Taha au Sénégal, on n'a pas encore abordé ces questions-là. Ok. Par, rapport à ça, mais si demain, on vous appelait par exemple au sein du Parti Socialiste pour vous proposer la candidature, euh, le, poste de secrétaire général ou, et même la, candidature de Khalifa Sall est-ce que vous avez di aujourd'hui ce qui nous intéresse et bi ñuy le parti socialiste nous dañu gëm le parti doit un candidat qui s'appelle Khalifa Ababacar Sall. Hmm. si nous su fekkee bëgg nañ soutenir ce candidat Khalifa Vous problème. non attends Vous da ni faire, mais aujourd'hui nous nous avons toujours cru à la candidature de Khalifa si le PS pense qu'ils peuvent venir soutenir cette candidature mais. Euh, non attends Si vous voulez que vous ne soutenir Khalifa du ñëw. non il s'agit pas que nous dem nous nous avons notre coalition nous avons notre plateforme mais ku ñuy jàppale da ngay ñëw fekk seen ah appareil Khalifa appareil parti socialiste ah mais il faut il faut il faut voir les résultats de de de de. non beaucoup. mais non attends on parle de l'appareil de Khalifa. <laughs> Uh-huh. c'est-à-dire le résultat au taxaw Sénégal nga jël résultat taxaw Sénégal dans Yéwi, uh-huh. nga le résultat au parti socialiste dans Benno. tu verras qu'il y a pas faute. mais la différence ndax damay faral di l'idée que Khalifa Sall wax carrément le parti socialiste dafa am ancrage bi nga non, non il suffit que ñu ñu réveiller ñu réveiller euh, nu mu tudd fibre socialiste bi nekk ci ñoom que ni porter candidature bi pour nga gagner dafay yomb donc yéen su ngeen waxee. waaw ah, mais tey parti socialiste amu parti socialiste. seen militants originels. ils sont tous dans taxaw Sénégal. fële il ne reste que euh, l'appareil. mais a tout bi rek moo fa ne mais dugal ci Sénégal je viens d'une rencontre de taxaw la le week-end passé mais man tête yi ma fa gis c'est des têtes que je vois au parti socialiste ci donc l'âme du parti social aujourd'hui beaucoup il faut